la asalaamaaleykum leen bu baax a baax a baax xam naa ni xaar ngeen lu yàgg waaye suba ba léegi yéen a ngi suivre bi ni ko président ci waxee foo dem rek day mel ni foofa la waaye y a mobilisation exceptionnelle à Bakel Bon, xam ne boo situation bi nga xamné mom la aduna yépp xam te muy situation bu Bakel di dundou day multiplier cette mobilisation par 10. Bakel ma ngi leen je nuyu di leen féliciter di nuyu la coordination départementale de PASSEF Bakel

muy maire yi nga xam ne maireu département bi lañu doore ko ci meeru dëkk bi di Ibrahima Baba Sall waaye di ci teg maire Sori Kaba ak maire Diakoy Tunkara bu Moudéri maire Amady bu Sinthiou Fissa ak maire Diadje Sawane bu Fissa Gàcceer Nous sommes ñu ngi leen nuyu ndax na def nañu déplacement ñëw ba Dakar 7 sima Nous kon ñu ngi leen nuyu toutes les populations du département sommes nak ñi may Nous commencé si Bakel waaye Nous ci Arundu waa Golmi ak waa Baalu ñoom ñëpp dund nañu li nga xam ne moom lañu ñu xam ñun ci inondation yi muy situation bu métti mbokki Bakel am na situation yoo xam ne bu amee ci réew ñu xam ni lii am na ku naan français français dégg la wolof dégg on a français hein? population de Bakel ce que je voulais dire simplement c'est qu'il y a des situations qui relèvent de la volonté divine et qui peuvent frapper une nation ou un peuple à tout moment. Quand ces situations arrivent, la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, c'est de faire bloc autour des autorités pour qu'ensemble nous puissions faire face. Et c'est pourquoi malgré mon adversité avec le président Macky Sall, vous rappelez que quand il y a eu l'avènement de la Covid-19, j'avais accepté d'aller répondre à son invitation au palais de la République parce que pour moi, il fallait la sainte union nationale face à ce péril qui menaçait le monde entier. Et c'est pourquoi tous les acteurs doivent s'abstenir de politiser des situations comme celle-là. Et le plus important, c'est que seul l'État, seul l'État peut aujourd'hui être aux côtés des populations et apporter des solutions. Personne d'autre ne peut le faire. Si des politiciens pensent qu'ils peuvent utiliser la souffrance des populations à des fins politiques, au point de créer des situations que nous avons vécues, ces gens ne peuvent pas amener 500 millions à Bakel à forcerie des milliards. Ils ne peuvent pas régler les problèmes des Bakelois. Et c'est pourquoi, depuis que cette affaire est intervenue, l'État s'est donné tous les moyens pour être à côté des populations. C'est la première fois que vous voyez la survenance d'une catastrophe et qu'immédiatement le président de la République lui-même, toute affaire cessante, se déplace pour venir aux côtés des populations, pour constater lui-même et pour essayer d'apporter des solutions. Pendant 12 ans, eux, ils ont été au pouvoir. On ne les a jamais vus se déplacer pour, pour compatir à la souffrance des populations. Des solutions d'accompagnement on va en apporter. J'ai annoncé lors de la réunion interministérielle que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours à Dakar, une enveloppe de 42 milliards. Cette enveloppe, cette enveloppe, j'ai vu un acteur politique de passage dans la zone parler de 8 milliards. 8 milliards, c'était l'enveloppe pour les, premières, les premiers secours. C'était l'enveloppe pour éviter que dans les zones impactées, qu'il y ait des gens qui aient des problèmes pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou pour se protéger contre les moustiques, ou pour se soigner. C'était ça la priorité. Mais, vous savez que ces crues vont laisser un certain nombre de désagréments. Des maisons vont être endommagées. Des cultures ont été détruites. Il y a même peut-être du bétail qui a été perdu. Et c'est pourquoi le reste de l'enveloppe va servir à accompagner toutes les populations, toutes les populations qui ont été impactées à reprendre leur activité, mais surtout à rejoindre leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Population de Bakel, vous savez très bien, vous qui êtes nés ici, vous qui avez grandi ici, vous savez très bien que les phénomènes de crue sont des phénomènes naturels c'est parce qu'il y a de fortes pluviométries que le fleuve reprend son lit majeur. Le fleuve a un lit majeur et quand on reste quelques années à, fort, à faible pluviométrie, les populations ont l'habitude, ont tendance à venir construire sur une partie de ce lit majeur. Mais à chaque fois que la pluviométrie reprend, le fleuve a tendance à reprendre son lit naturel et c'est ça qui justifie les crues. On en a vu en Mauritanie, on en a vu au Mali, on en a vu un peu partout dans le monde. on l'a vu s'est passé il y a une semaine en Espagne. Les crues ont toujours servi aux populations parce que quand il y a des crues, c'était des moments importants pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est attendre que le phénomène se passe, mais être auprès des populations pour vous accompagner pour que chaque Bakelois, chaque habitant de Kilira, de Goudiri, en tout cas de toutes les zones qui ont été impactées, puissent sentir la présence de l'État. Mais j'ai donné des instructions au ministre de l'Hydraulique. Vous avez entendu parler des lacs et des mares de Bakel. Nous allons travailler à réhabiliter ces lacs et ces mares. Parce que normalement, s'il y a une bonne réhabilitation, une partie de ces eaux lorsque le barrage risque de céder et que les gens sont obligés de lâcher, une partie de ces eaux va être récupérée par ces mares et ces lacs et c'est un potentiel extraordinaire pour l'agriculture. La semaine dernière, le ministre Cheikh Gueye et la dame qui est directrice générale de l'Office national des lacs étaient ici à Bakel pour faire la prospection pour que nous puissions faire ce travail-là. Toutes les mesures seront prises pour que cette situation qui peut être impactante, qu'on puisse la transformer en opportunité pour Bakel, pour tout le département de Bakel, mais pour toute la région du fleuve. C'est cela que nous allons faire pour accompagner les populations. Il est important. Nous savons toutes les préoccupations qui sont les vôtres et qui sont les mêmes qu'on trouve presque partout au Sénégal. C'est parce que pendant 64 ans, Déjà, se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal et ont très peu travaillé pour le peuple sénégalais, mais ont travaillé pour leurs propre intérêt et pour les intérêts étrangers. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Dans toute cette zone, il y a un potentiel minier. On a parlé d'or parce que nous sommes ici dans le pôle sud-est. C'est le pôle le plus riche du Sénégal. On a parlé d'or, on a parlé de fer, la Falémé est ici à côté. Et il y a du fer à la Falémé. Qu'il y a cinq ans de cela, ils avaient signé avec une entreprise turque et ce fer allait être pratiquement vendangé au profit d'intérêts étrangers. Vous nous aviez entendu faire notre conférence de presse, dénoncer cela. Et on s'est bien battu au point qu'ils ont reculé. Et c'est pourquoi le fer qui est là est encore intact. Et nous allons l'exploiter au profit des populations du département au profit des populations de la région, mais au profit du peuple, du peuple sénégalais dans son ensemble. Ici, il y a énormément de potentiel. Nous avons du manganèse. C'est l'une des rares régions du Sénégal où on trouve cette, cette ressource naturelle extrêmement prisée. Tout ce qu'on doit faire, tout ce dont on a besoin pour construire une plateforme industrielle, il y en a ici à Bakel. Si vous lisez le programme que nous avons présenté dernièrement, la vision 2050. Nous avons dit que ce pôle est le pôle qui va avoir la plus grande croissance et la croissance la plus rapide, passant de 1 million de francs par tête d'habitant en termes de PIB rapporté à l'habitant à 4 millions de francs au terme de l'application de notre programme. Je l'ai je décrit, je l'ai défini et je l'ai développé hier lors du meeting de Tambacounda. Et c'est pourquoi même le troisième barrage que nous voulons construire sur la Falémé, qui sera un barrage à la fois électrique, mais également un barrage hydraulique, et qui va permettre de régler définitivement la question de l'orpaillage clandestin tout le long de la Falémé, c'est-à-dire le barrage de Gourbassi. Le programme est lancé. Nous allons travailler à mobiliser les financements pour le faire ici. Et tous ces programmes seront très utiles pour l'agriculture, irrigués aussi bien en saison sèche qu'en saison pluviale. Et c'est pourquoi la population de Bakel, ses ambitions sont très claires. La vision est précise. Les équipes sont bonnes. Vous avez un très bon président de la République que vous vous êtes choisi vous-même. Jeunesse de Bakel et jeunesse du Sénégal. Vous avez un gouvernement vous avez un gouvernement dont je suis le chef moi-même et je crois pouvoir dire que vous avez un très bon gouvernement. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir dérouler le programme aujourd'hui Qu'est-ce qui nous manque C'est d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale le 17 novembre. Je n'ai même pas parlé du volet agricole, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais tout ce qu'on vous demande pour parachever le contrat moral qui nous lie à vous, c'est de nous donner une majorité écrasante, minimum 150 députés, au soir du 17 novembre, pour permettre au président Bassirou Diomaye de gouverner, de prendre les lois qui doivent, transcrire les aspects économiques, juridiques, administratifs, sociaux du programme qu'on vous a présenté pour pouvoir aligner le budget à partir du budget 2025 pour pouvoir aligner le budget. Laissez monsieur le maire arriver, s'il vous plaît. Laissez monsieur le maire.

donc dal bu baakha baax ñu continuer ñu continuer waxtaan bi bu ko defee ñu continuer incha allah voilà amna amna programme bu ñuy xaar kon mi ngi waaj daaneel ñu déglu ko mu paré Bakel Bakel Bakel Bakel gaje ngeen gars yi ah, man foofu la toll <laughs> Bienvenue, monsieur le maire. Je suis entré dans votre ville sans vous apercevoir. Ce qui est une, un crime de lèse-majesté. Donc j'ai demandé après vous, en cas merci d'être là. Ce que je voulais dire, pour terminer mon allocution, je vous ai dit, je vous ai parlé du hub industriel que nous voulons ici, qui sera accompagné des infrastructures qu'il faut. Certains ont parlé de routes et de chantiers. Nous avons un ambitieux programme, un ambitieux programme de désenclavement des régions et des départements périphériques, surtout les zones frontalières. J'ai toujours dit que les zones frontalières doivent être conçues Programmé par rapport à la capacité que nous avons de capter les économies voisines plutôt que par rapport à la centralité de Dakar.